Bonjour, je m'appelle Mme euh, Madame Tassambe, euh, épouse gay, et je suis euh, la présidente du mouvement UED, Union pour l'entrepreneuriat et le développement, membre de la coalition de Maki 2012. Alors, UED, c'est une, initiative, Aujourd'hui, vous activez dans quel domaine mm-hmm. L'UED, en fait, est un outil de développement. C'est un mouvement de politique, un mouvement de soutien au président Macky Sall. Donc euh, nous, avons, vu ces réalisations, toutes ces réalisations au niveau du pays. Nous avons confiance donc en ce monsieur et nous avons décidé à l'unanimité de l'accompagner, n'est-ce pas, pour le travail qui lui incombe au niveau du Sénégal. depuis euh, depuis 2017, euh, en mars 2017, on a mis ce mouvement sur pied. Et qui est membre de l'UED e Les membres de l'UED e, e sont essentiellement des jeunes, filles et garçons, et aussi des femmes que nous accompagnons. Vous à mener des activités. Effectivement, nous avons eu à mener beaucoup d'activités depuis 2017 à maintenant. Donc nous avons eu à, faire euh, des activités de, de, de 7 par exemple. Nous avons euh, eu des activités économiques, des activités avec le Fonds JIP par exemple. Nous avons euh, eu à, présenter en fait des projets de, de jeunes au Fonds JIP. On a eu une animation économique avec eux. Nous avons eu aussi à faire des, initiatives aussi avec les femmes, pour leur permettre quand même d'entreprendre, euh, des femmes de notre localité. Nous avons eu à faire avec elles des formations aussi en transformation de fruits et légumes et céréales locales et bien d'autres activités encore. Nous avons eu aussi à faire des dons de kits scolaires au niveau des, écoles de, la cité d'Arusalam où nous habitons n'est-ce pas Et, aujourd'hui, euh, actuellement, nous sommes là à, célébrer en fait la journée de l'émergence. Donc avec d'abord un forum dans la matinée, donc avec trois, deux thématiques euh, axées surtout sur l'entrepreneuriat euh, des jeunes et l'employabilité et, aussi en ce qui concerne aussi l'agriculture au niveau de la zone des Niailles. Donc c'est ça en fait que nous sommes en train de faire. Et cette journée va être clôturée par euh, une nuit de l'émergence donc, euh, que, nous célébrons, que nous, que nous fêtons avec euh, la grande diva Fatou Gueul. Oui. Mm-hmm. dans la communauté. de Tuampelniag. Effectivement, en fait, je peux même dire que pour ce qui est de, cette, de ce mouvement, il y a essentiellement des jeunes des jeunes, euh, certes sont des entrepreneurs que nous, euh, que nous suivons, n'est-ce pas, mais d'autres aussi sont des jeunes euh, étudiants, des jeunes qui n'ont pas de formation aussi, que nous essayons de, trouver des formations et de, de, suivre aussi pour éventuellement leur permettre à, asseoir leur entreprise et pour réussir en fait leurs leur défis il faut un accompagnement ah oui. ah oui, bien sûr, il faut un accompagnement de l'État. Bon, en ce moment, je peux dire que nous n'avons pas encore grand-chose. Nous avons eu des projets qu'on a déposés au niveau de la DER, n'est-ce pas, depuis, depuis le début jusqu'à présent au niveau du département de Rubis, on vient d'entendre que le, ministre dire que le, directeur de, la DER va peut-être va passer euh, bientôt dans le département de justice donc pour donner les financements. Donc nous attendons cela aussi. On a déposé des, projets de jeunes et éventuellement aussi des projets de femmes. C'est moi-même qui ai fait les projets, qui les ai accompagnés donc à faire ces projets et aussi à les déposer là où il fallait, il, fallait le faire au niveau de la préfecture. Mais jusqu'à présent, nous n'avons encore aucun accompagnement vraiment euh, venant de l'État. Mais nous nous organisons quand même, nous nous organisons surtout avec les femmes, nous nous organisons donc euh, avec le plan international, on a, on a fait un projet euh, avec les femmes, on se débrouille quand même et on s'autofinance en quelque sorte. On s'autofinance, on fait les formations nous-mêmes euh, avec notre propre moyen. On fait aussi des, des, crédits revolving avec nos moyens aussi en même temps. Mais là, franchement, nous n'avons encore pas grand-chose euh, de l'État. Et on voudrait bien quand même qu'il en bénéficier bien sûr merci beaucoup. effectivement nous, avons allah euh, mouvement UED union pour l'entrepreneuriat et le développement nous avons choisi de nous li surtout sur l'entrepreneuriat. parce que l'entrepreneuriat est aussi un développement au niveau de notre pays donc nous avons tout donné pour permettre à ce que ces jeunes là nous faire propre disons euh, initiative pour jéem fexé wout même bu fekkente ni non pas le travail là peut-être dans les bureaux autres mais je pense que euh, ñom sen bop war nañ leen mëna permettre à ce que ñom ñu yor seen liguey bopp ba nga xamante ni ñoom sax ñom ñoy en fait am ay employés donc dinañ participer déjà au développement en tant que li ñu yore structure bi ñuy yore par exemple ñu développer ko mais en même temps dinañ permettre aussi ñu jël ñeneen i jeunes yu ñu mëna jël aussi jàngal leen liguey bi té aussi jël leen en tant que employé n'est-ce pas pour euh, jappalé leen donc ci loolu la ñu nekk waaw bien sûr foog mu am jàppandalu nguur gi ñun nag euh, yàlla def na depuis 2017 ba léegi ñu ngi travailler ci mouvement bi euh, ànd ak le président Macky Sall nag ànduñoo moom rek parce que c'est le président Macky Sall rek non c'est parce que dañoo gis ne vision bi mu ñu yóbbu fi nga xamante ne foofu la jëmee Sénégal te ndaw ñi nga xamante ne ñoom la ko jagleel ñu xam ne lii lu baax la lu wér la lu wóor la moo tax ñu ànd ak le président Macky Sall depuis lors nag ñu ngi travailler quand même ànd euh, avec moom ñu ngi travailler aussi derrière le coordinateur du département de Rufisque le le le ministre Oumar Gueye nous travaillons aussi ci la coalition de Maki 2012 avec le coordonnateur Thierry je au passage mais quand même euh, travail travaillons aussi euh, nous avons amaguñu ci euh, jàppale nguur mais nous nañu tamit mu gaaw mu surtout au niveau ak Derby parce que Derby aussi nous avons ci war li wax donc nous avons fait projets des projets de jeunes defar nañ aussi projet des femmes n'est-ce pas te am na kuréel yu bëri yu nga xamante ni vraiment yi mu regroupé am nañu ay mbébét am nañu lu nga xam bëgg nañ ko def te il faut vraiment que ces financements yegg si pour que vraiment jigéen ñooñu aussi bëgg àgg fi ñu àgg surtout ci liggéeyu transformation bi ñu nekk parce que actuellement suñu projet unité de transformation bi ñu am euh, amaguñu vraiment ku ko ku ñu ci jàppale ngir taxawal ko dal. waaw te loolu bëggoon nañ ko trop ñu jógee ci nguur gi peut-être noonu moo doon gënal parce que tamit euh, dañu ne nañu liggéey comme ñu ngi jéem aussi di dox ci loolu man nam naa vraiment nguur gi jàppale ñu ci lu baax baax baax ndax na xaaruñu nag nguur gi quand ñu ngi commencé ak suñu propre initiative di travailler ci suñuy li ñu xam moom la ñu am ñu ngi ciy travailler mais luñ ci gën di jàppale aussi mu gën a jëm kanam tamit day gën a baax pour ñun gën a baax aussi pour cette population qui est à et dans la commune de Tivaouane mais aussi day gën a baax tamit pour bien sûr le développement du pays jërëjëf merci beaucoup